nous rejoindre. Bonjour Arma. Bonjour Fatim. Très bien, merci. Alors aujourd'hui, tu vas parler de la Ligue 1, le PSG, seul invaincu après avoir écrasé Bordeaux. Amiens-Lille au lendemain de la chute de la barrière. C'était impressionnant d'ailleurs. La polémique enfle. Mondial 2018, la Côte d'Ivoire convoque Gnagnon euh, face au Mali. Et puis la NBA prévient pendant l'hymne, il faudra être debout sous peine de sanction. Ton magnéto Ah oui. D'accord. Allez, lance ton magnéto. Lance ton magnéto avec ta bouche. Magnéto. Merci. Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est désormais le seul club invaincu en Ligue 1 cette saison après la leçon administrée à Bordeaux 6 buts à 2 pour le compte de la huitième journée de championnat samedi. Amiens face à Lille. Au lendemain de la chute de Barrière, la polémique enfle. Dimanche matin, tous les supporters blessés avaient quitté l'hôpital, à l'exception de six d'entre eux se trouvant dans un état stable et restés en observation la polémique sur l'état du stade de football d'Amiens monte en puissance dimanche 1er octobre au lendemain de l'accident qui a fait 29 blessés parmi des supporters lillois après l'effondrement d'une barrière. Mondial 2018, la Côte d'Ivoire convoque Nyagnon face au Mali. Marc Wilmot, le sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, a publié une liste de 24 joueurs convoqués pour affronter le Mali le 6 octobre 2017 à Bamako dans le groupe C des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2018. 9h28 minutes, euh, chronique sport, cher, doucement, doucement. Tu te cognes tout le temps les portes, les trucs. Oh là là. On n'est que lundi, mon grand. On n'est pas ah, vendredi. Allez vite, gère le digital, mon grand. Donc, PSG Ligue 1, seul invaincu après avoir écrasé Bordeaux. Et justement, il y a un internaute qui dit, Fissen qui dit, PSG est une équipe de tocards, de stars. <laughs> La Ligue 1 est faible. Alors, développe-moi ça, Ligue 1. Euh, waaw euh, Fatim O oh, euh, match boobu nag Paris Saint-Germain ak Bordeaux. 6 mhm. buts à 2 6 buts à 2. lañ voilà lañ leen gagné. Mhm. te double bi de Neymar. Mhm. ki nga xamante ne nag mooy Cavani moom it dugal na but. ak si Mbappé. ak ñeneen ñoo xamante ne voilà match bi ça a vraiment réussi. 6 6 à 2. 6 à 2. voilà bah, ils ont fait fort quand même hein. ouais c'est les Parisiens ouais. Et c'est pourquoi ils disent ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Bon, un petit coucou quand même aux Parisiens. <laughs> Amiens, Lille, au lendemain de la chute, justement, la chute impressionnante de la barrière. La polémique a enflé. Oui, la polémique a enflé parce que tamit Fatim euh, nek na lo xamné tamit 29 blessés. Mhm. ñoo si nekkoon ak six yo xamante ñom ñoo nek ci tas table. Mhm. Euh, mu lu métti bien sûr parce que xewoon ne fii Sénégal aussi. ça rappelle ben, vraiment voilà ça rappelle ici. Mon mhm. nekk loo xam ne nii souhaité wu ko. Euh, euh, supporter lillois yi nga xam ñoo supporter moo ba loolu dal leen aussi. bon mhm. voilà ñu leen yi ñaanal. Euh, voilà, qu'ils se rétablissent, les blessés. C'est impressionnant quand même. Hein. Quand on voit ce que tu dis, oh, est-ce qu'il n'y a pas des morts Mais il n'y en a pas eu. Non, il n'y en a pas eu. D'accord, ok. Heureusement. Très bien, heureusement. Mondial 2018, la Côte d'Ivoire, les éléphants de la Côte d'Ivoire convoquent Gnagnon, ton pote, face au Mali. <laughs> C'est le pote de Rahma, Gnagnon. Ah bon Oui, parce qu'elle parle souvent de Gnagnon. oui, <laughs> parce qu'en ce moment, je connais ces joueurs, ils sont trop souvent. D'accord. Euh, bon je vais un peu parler de lui. Il mhm, il a mhm, a si euh, fële Bondi euh, en 1997. 13 mhm. euh, janvier voilà mon évolué évolué ben poste poste défenseur. d'accord euh, ci stade René. très bien voilà monak beaucoup de na Marc Wilmo euh, entraîneur 24 joueurs yi mou sélectionné. Mhm. mon bok ok d'accord bon courage à l'entraîneur des éléphants parce qu'il a du pain sur la planche il va se faire débouter s'il n'obtient pas beaucoup de résultats. La Côte d'Ivoire qu'on sent un peu fébrile, hein, Rahma. Donc, euh, dernière news, la NBA prévient, pendant l'hymne, il faudra être debout sous peine de sanction. Parce qu'effectivement, les stars ont refusé. C'est par rapport à euh, Trump. Hein, Donc, euh, pour voilà, se défendre en disant, ouais, par rapport, à une, par rapport aux violences faites contre les Noirs, je pense. Oui, parce qu'il réagit pas. Oui, voilà, il réagit pas vraiment. Donc, il y a beaucoup de qui disent, ok, d'accord, on ne chante pas l'hymne. Mais par contre, quand même, la NBA, hey, veut sévir, bah, c'est ça Oui, effectivement. Euh, les képp koo xamante un joueur nga wala nga entraîneur wala nga bokk ci staff bi. Mhm. Euh, dina am euh, voilà daniel a xamante ne nii dinañ leen ko y yoo une exception en tout cas nous li ñuy souhaité nous respectons nous respecter loolu ko à cœur parce que tamit gis nañ nek que sommes luñu ko. Mhm. voilà te it ci ki je ni moom moo lettre boobu noonu. Mhm. muy commissaire de la NBA tudd Marc Tatum. Mhm. moom nag moo indiqué boobu bataaxal pour euh, xibaar wax ko ñëpp. d'accord ok donc sanction sanction pour ceux qui ne qui, ne... Chante pas l'hymne national. qui ne chante pas l'hymne national. Tu as passé un bon week-end Oui, ça va. D'accord, ok. Je voulais que tu passes un mauvais week-end par rapport à vendredi. Donc, si tu dis oui, ça va avec cette petite voix-là, donc ça veut dire que ça ne va pas vraiment. Mais quand même, voilà, je te félicite aujourd'hui. Très bonne chronique, t'as bien géré. On est d'accord Merci. Bien, très bien. 9h32 minutes dans la matinale. Est-ce qu'il y a de la pub Pub tout de suite et après on revient avec Joyce pour le portrait du jour. Cher Modibo Jara.